Chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et merci de votre écoute. Vous venez de suivre le journal du studio Kalangou. Il est à présent 18h15 C'est l'heure du forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou, vous le savez, sont diffusés dans une vingtaine de départements du pays ainsi que dans toutes les capitales régionales grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires. Bienvenue à ce numéro du forum du studio Kalangu que vous suivez en français chaque jour de lundi au vendredi à partir de 18h15 et les week-ends langue nationale à 17h15 C'est un rendez-vous quotidien à travers lequel nous invitons pour vous des personnes ressources capables de vous éclairer sur diverses thématiques en lien avec l'actualité ou la vie en société. Ainsi, nous vous proposons ce soir le thème Importance de l'enseignement de la philosophie au secondaire. Contrairement aux autres matières, la philosophie constitue en effet la seule qui n'est enseignée qu'à partir de la première dans les programmes scolaires de l'enseignement général. De par son étymologie, elle signifie l'amour de la sagesse, mais reste encore de nos jours l'une des matières les plus contestées partout où elle est enseignée, chez les littéraires notamment pour les élèves candidats au bac A. Elle est souvent considérée comme étant une matière qui favorise l'échec. Pour d'autres encore, et particulièrement du côté de ceux qui ne l'ont jamais découverte, c'est tout un tas de préjugés que l'on entretient autour de la philosophie. Une matière certes obligatoire, mais que nombre d'élèves ont souvent des difficultés à suivre, bien qu'on en trouve de plus en plus de grands passionnés. Des personnes qui admettent qu'au cœur de tous les questionnements philosophiques, on y trouve un fondement légitime et fondamental. En clair, c'est que la philosophie invite à des questions que tout être humain se pose, répondant ainsi, peut-on dire, à un besoin réel et authentique de la conscience humaine. Que signifie alors la philosophie Qu'enseigne-t-elle réellement Philosopher, est-ce une obligation pour tout être humain Rien ne semble être de la compétence de la philosophie, mais elle tente de répondre à tout la sociologie, l'histoire, la politique, l'art, la religion, la mort, etc pourquoi cet état de fait et quelle est sa finalité. La philosophie peut-elle être considérée comme une science Qu'est-ce qui l'oppose à la science et à la religion et qu'est-ce qui fait leur convergence Quelle est aujourd'hui l'importance de son enseignement aux jeunes scolaires, notamment aux lycéens C'est principalement à ces questions que nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit comme invité Monsieur Loli Abdelimam, il est professeur de philosophie, ancien conseiller pédagogique et actuellement en formation pour l'inspectorat en philosophie. Monsieur Loli Abdelimam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lévy. Le deuxième invité de ce forum, c'est monsieur Hussein Salatou. Il est homme politique, ancien ministre, mais aussi philosophe. Monsieur Hussein Salatou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. À la présentation, Michel Diji. Bonsoir à tous, euh, bienvenue, Monsieur Hussein Salatou. Comment peut-on définir euh, la philosophie Merci, Monsieur Michel. C'est une question euh, vraiment qui semble à la fois banale et complexe. Parce que dès qu'on dit ah, qu'est-ce que c'est que la philosophie, la définition classique est que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Mais cette réponse, je dis, à la fois banale et à la fois complexe parce que, mot de la sagesse, et c'est là même que va démarrer l'essence même de la philosophie, parce que c'est le questionnement. C'est quoi la sagesse C'est quoi la sagesse Une expression que nous employons tous les jours. Quand on dit la philosophie, la philosophie c'est l'amour de la sagesse. C'est quoi l'amour C'est quoi la sagesse Vous voyez déjà, donc, euh, la philosophie, je dirais que, au delà de cette définition classique, l'amour de la sagesse, c'est d'abord un questionnement. Mhm. Un questionnement sur la vie de l'homme, un questionnement sur tout ce qui nous entoure, sur l'univers, sur nous-mêmes. La sagesse, je, je, la prends, je le prends sur deux angles. D'abord en tant que savoir, mais en tant que aussi façon de vivre dans la mhm. société. Mhm. Donc, euh, la philosophie, c'est la recherche du savoir, mais aussi c'est un comportement, comment vivre en société avec les autres hommes, avec tout ce qui nous entoure. Mais la définition classique que nous avons, on dit simplement que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Le mot sagesse, j'ai dit, ça renvoie au savoir, mais ça renvoie aussi au mode de vie, à la façon de vivre des hommes. Monsieur Loli Abdelimam, c'est donc une signification étymologique, c'est-à-dire basée sur l'origine même du mot philosophie. Et qu'avez-vous à ajouter par rapport à cette définition eh, de la philosophie Bien, euh, merci bien, monsieur Déchi. Effectivement, monsieur Salato a raison. <laughs> Demander qu'est-ce que c'est que la philosophie est une question complexe mhm. euh, et facile, peut-être. Euh, je me rappelle effectivement qu'un éminent professeur a été envoyé dans une ville, n'est-ce pas, qui a réuni donc pour son cours inaugural pratiquement la moitié de la ville. Et <laughs> devant ce parterre de personnes, ce professeur de poser lui-même la question qu'est-ce que c'est que la philosophie mhm. Et les gens étaient surpris qu'il réponde lui-même je ne sais pas. <laughs> N'est-ce pas euh, Bon, peut-être sans vouloir, euh, comment dire, rentrer dans la signification de, ce que ce professeur veut dire, je pense que, euh, en fait, la philosophie, tout, tout, le monde le sait. En fait, il en a je ne sais pas, ça veut dire qu'il voulait donner la définition qu'on peut avoir de la philosophie. Mais en fait, c'est pour dire que bon, c'est une mhm. matière un peu particulière, mhm. n'est-ce pas Vraiment, c'est-à-dire, contrairement aux autres, autres euh, matières qui ont tendance, par exemple, à donner la connaissance, alors tu l'as dit tout à l'heure, mhm. euh, la philosophie n'est pas une matière de connaissance. Mhm. Euh, je pense que tout à l'heure, dans le débat, on va essayer de décider ce point-là. Mhm. Ben, je pense que juste pour aller dans la droite ligne, en fait, de la question que vous avez posée, en réalité, il n'y a pas une définition définitive close, exact. Mhm. pas exacte, euh, <laughs> mais définitive, n'est-ce pas, euh, la philosophie. Et que d'ailleurs, redéfinir la philosophie est une des tâches là de la philosophie, mhm. mais en fonction euh, de l'évolution de nos propres connaissances. Donc à chaque fois, les hommes s'attellent à redéfinir la philosophie, vraiment en fonction des, des connaissances du moment. Voilà un mhm. peu. Euh, Justement, euh, cette euh, définition a évolué de Aristote à Socrate. On mhm. disait même que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Qu'est-ce que ça veut dire, oui. monsieur Je pense à juste titre, parce que c'est elle qui a généré toutes les sciences. Mhm. comment Bien sûr, les gens <laughs> vont se poser la question, mais c'est une réalité. Je vais dire, vous savez, une particularité de la philosophie, c'est que elle pose beaucoup plus de questions qu'elle ne possède vraiment elle-même de réponses. Mhm. D'accord mm. Et donc, justement, euh, les questions non répondues par la philosophie souvent constituent des noyaux euh, de réflexion. Mm. D'accord Et euh, une science, en fait, prend en compte justement ce noyau pour essayer d'apporter un certain nombre de, réponses. Mm. Voilà comment la philosophie a-t-elle généré toutes les sciences. C'était la mère des sciences parce que donc elle suscite des questions en vérité non résolues euh, qu'une science prend en compte, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, essayer d'y répondre. Et voilà comment donc les sciences, toutes les sciences sont nées à partir justement de ces interrogations et de ces questionnements philosophiques. Voilà en quoi nous donc, mieux comprendre, la mère, euh, sciences. Pour mieux comprendre la philosophie, Descartes mhm. la présente comme étant un arbre, dit-il, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches sont les différentes sciences. Qu'est-ce que ça signifie Je pense que c'est une très bonne définition là, en fait, qui résume même tout ce qu'on vient de dire là, n'est-ce pas, et qui mhm. montre surtout son caractère encyclopédique. Mhm. Vraiment, la philosophie donc s'occupe, euh, comment dire, par exemple, des sciences. Elle s'occupe également de la physique, c'est-à-dire tout ce qui est constatable, mais elle s'occupe aussi de la métaphysique. Tout ce qui est au-delà de la physique, par exemple les problèmes euh, ou les questions sur Dieu, les mhm. questions sur l'âme, sont posées vraiment euh, sans complexe en philosophie, mhm. n'est-ce pas Et des réflexions euh, objectives, pertinentes, si vous voulez, sont formulées sur ces questions. Mhm. Voilà pourquoi donc la philosophie a ce caractère encyclopédique. Je pense que c'est ça le sens de la définition de Descartes, parce qu'elle s'occupe de tout. Oui, monsieur Hussein Salatou. Arrêtez. En commençant, vous avez commencé à philosopher. La seule discipline qui s'intéresse sur elle-même, c'est la, philosophie. Je pense que lorsque nous sommes, euh, nous avons, commencé à nous enseigner l'histoire géo, nous a pas demandé, euh, les mathématiques, le français, on n'a pas dit qu'est-ce que c'est que le français, mhm. qu'est-ce que c'est que l'histoire géo, mhm. qu'est-ce que c'est que les mathématiques. Mhm. Hein? La philosophie est la seule matière d'abord qui s'interroge sur elle-même. D'abord, il faut savoir, il faut qu'on sache qui on est avant de s'intéresser aux autres. Vous comprenez par là que l'essence de la philosophie, c'est le questionnement. C'est là la base de la connaissance même le questionnement. Qu'est-ce que c'est que la philosophie je pense que c'est en première qu'on commence à enseigner la philosophie, c'est le premier chapitre. J'aurais bien voulu que le professeur d'histoire, commence par qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que les mathématiques, mhm. qu'est-ce que c'est que. Mais on ne le fait pas. il faut savoir d'abord qui vous êtes. Mhm. Est-ce que vous êtes en mesure de vous définir avant de chercher à définir l'homme. Je me rappelle une fois, j'ai posé en classe la question à une femme, à une, qu'est-ce que c'est que la femme mhm. Et c'est ça la complexité de la philosophie, parce que les choses qui semblent, auxquelles nous sommes habités chaque jour, que nous vivons chaque jour, nous pensons les connaître. En réalité, le philosophe, mhm. la philosophie nous amène par nous-mêmes à découvrir qu'en réalité, nous ne savons pas. C'est pourquoi Socrate dit ce que je sais, ce que je ne sais rien, la ce que, je, sais, ce que je ne sais rien. Véritablement. vous savez ce qu'elle m'a répondu Elle me dit la femme, c'est un être humain. Mhm. Je lui dis mais la femme, ça veut dire que c'est l'homme. Elle me dit non, euh, la femme, c'est un être humain euh, raisonnable. j'ai dit mais c'est toujours l'homme. L'homme est un être humain. Vous voyez Alors que c'est une femme, mm. elle, vit en tant que femme, mais elle ne s'est jamais intéressée à cette question. À la fin des fins, peut-être de manière consensuelle, on a abouti à une réponse. La femme, c'est un être humain de sexe féminin. L'infini est plus ou moins acceptable. Mais j'ai dit, bon, une fois rentré à la maison, pose cette question à tes parents je suis sûr et certain que les réactions que tu vas avoir, on va te dire, mais c'est quoi cette histoire-là C'est quoi ces genre de question Et ce qui s'est passé, quand elle est à la maison, il dit, maman, j'ai un problème. Moi, je n'arrive pas à définir ce que c'est que la pape. Et vous savez, sa maman, elle dit que, mais Ali <laughs> Est-ce que vous voyez Et c'est ça le drame. Il faut, la philosophie, c'est le questionnement. Il faut que les gens s'intéressent sur eux-mêmes et, et, et, savoir ce qui les entoure. Malheureusement, nous ne le faisons pas. C'est pourquoi le plus souvent, nous nous intéressons beaucoup plus aux effets des choses qu'aux causes des choses. Et c'est pourquoi nous ne le connaissons pas. Justement, par rapport à ça, nous avons, on prend l'exemple de l'enfant qui commence à dire « je » en philosophie avec Descartes euh, des cadres qui dit, euh, par exemple, le cogito ergo sum. je pense donc que je suis. Mais en réalité, qu'enseigne la philosophie, M. Hussein Salatou La philosophie, elle enseigne tout. Elle enseigne tout simplement l'homme. Parce que la question fondamentale, les questions que Kant avait posées, qui, résume tout en philosophie, tourne autour de la nature humaine, de l'homme en tant que tel. Mm. Elle enseigne tout, là l'a dit tout de suite, là, la définition que vous avez donnée par rapport à Descartes. Elle enseigne la métaphysique, ce qui est au-delà de la physique. J'aimerais préciser que l'expression métaphysique ne vient pas d'Aristote, même si c'est un cette confusion. C'est Andronikos de Rhodes mhm. qui, pour qualifier les livres d'Aristote qui parlent de la physique, euh, euh, des choses qui sont de la physique, l'appelait *physica*, les choses qui parlent des choses qui sont au-dessus de la physique. Donc, l'idée de Dieu, de la morale, du bien, etc. Mhm. Mais elle parle aussi de la physique, comme l'a dit Léolith, ce qui nous entoure, l'homme en tant que tel, tout ce qui nous entoure. Mais elle fait aussi des projections dans l'avenir. Donc, tout ce qui concerne la vie de l'homme, la philosophie l'aborde. Mais le problème, c'est que la philosophie ne donne pas de réponse. Hmm. Parce que les réponses en elles-mêmes constituent des questions. Hmm. Est-ce que, C'est ça la complexité. On dit c'est des gros bavards. Ils ne donnent jamais quelque chose de précis qu'on peut utiliser. Hmm. Mais malheureusement, c'est parce que nous nous interrogeons, nous nous questionnons que nous trouvons des réponses. Et on se trouve que chaque réponse, elle en est elle-même une autre question. Si nous trouvons des questions définitive à toutes les réponses, hum. euh, définitives à toutes les questions ne seront à l'image de Dieu. Euh. Euh, l'homme, dans la recherche de la découverte du, monde, de l'univers, dans ses innombrables secrets, cherche à, toujours à, à, se questionner, à se remettre en cause, à, douter de lui-même. Et c'est cela même l'essence de la philosophie. La philosophie nous sert donc véritablement à la recherche de ce que c'est que l'homme. Il dit la recherche bien, parce qu'il est difficile de connaître ce que c'est que l'homme. C'est vrai, monsieur de l'Imam, on voit bien que la philosophie pose des interrogations parce que euh, la plupart des fois, ce que nous nous contentons de ce que nos organes de sens nous permettent de percevoir, alors que les organes de sens peuvent nous tromper. Nous avons par exemple le soleil qui était considéré être euh, plus petit que la Terre, euh, infiniment petit d'ailleurs. Ça a été contesté avec euh, l'histoire de Galilée. On a vu qu'il y a eu euh, une évolution par rapport à ses conceptions. Mm-hmm. Et en réalité, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est obligé de philosopher ou bien la philosophie est réservée mm-hmm. exclusivement à vous autres philosophes Voilà je pense que <laughs> là, il y a plusieurs aspects que vous touchez à travers votre question. Euh, le premier, n'est-ce pas, qui fait suite à ce que Salato a dit, effectivement, le philosophe est philosophe parce qu'il voit les problèmes là où les autres ne les voient pas couramment, là où les autres ne les voient pas souvent. Et je pense que c'est ça une des spécificités euh, de la philosophie, euh, s'interroger n'est-ce pas, poser des questions, des questions, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'ont pas forcément de réponse, mhm. n'est-ce pas, mais qui vont être prises en compte dans le cadre d'autres sciences, etc. Donc, euh, c'est ça, en fait, la, substance. C'est-à-dire, euh, un bon cours de philosophie euh, doit toujours pouvoir susciter des questions. Mhm. Quand vous suivez un cours de philosophie, je pense que vous n'êtes pas le même qui en ressort que celui qui est entré. Mhm. Parce qu'à chaque fois, justement, donc, les questions, ou disons, l'intervention du professeur va susciter des, des questions. Mhm. Voilà, en fait, ici, c'est ça vraiment une des particularités justement de, euh, de la philosophie. Voilà. Est-ce que tout le monde euh, est censé philosopher Je pense que <laughs> Descartes l'a dit, une, euh, comment dire, une société d'autant plus civilisée, n'est-ce pas Une société d'autant plus civilisée que les hommes, ils philosophent mieux. Euh, naturellement, c'est-à-dire compte tenu des spécificités tout à l'heure, dans la présentation, j'ai entendu euh, que vous envisagez, par exemple, qu'on aborde euh, les objectifs assignés à l'enseignement de la philosophie. Et là, nous allons voir justement ces points-là n'est-ce pas C'est qu'il y, a la nécessité, c'est-à-dire pour chaque individu de philosophie, et, que cela a une participation, une contribution même pour l'État, pourquoi pas c'est extrêmement euh, important. On voit bien justement que la philosophie aborde presque tout, pour ne même pas dire tout. mais la question qu'on se pose, par exemple, quand on apprend la médecine, c'est pour devenir médecin. Quand on apprend euh, le journalisme, c'est pour devenir journaliste. Si on apprend la mécanique, on devient mécanicien et on sait mhm. réparer un véhicule. Mais quand on apprend la philosophie, c'est pour devenir quoi, Monsieur Lolle? Oui, bonne question. Question d'ailleurs assez souvent euh, posée par euh, nos propres élèves, n'est-ce pas, qui nous demandent, Monsieur, est-ce que si on fait philosophie, on est obligé forcément d'enseigner hmm. Parce qu'il n'y a peut-être que cette perspective qui s'offre à nous, notamment dans un contexte comme le nôtre au Niger, je veux dire. Hmm. Euh, bon, effectivement, vous pouvez voir euh, dans des pays assez avancés. Regardez en France, il n'y a pas un seul événement important, significatif euh, qui se passe dans la société, euh, n'est-ce pas, dont on donne la parole au philosophe. pour parce que ses positions sont toujours particulières. Je viens de dire de, de par le fait que donc euh, lui il, voit la substance des choses, n'est-ce pas Il pose les questions les plus importantes. Mhm. Je pense que ça c'est un rôle irremplaçable dans la société vraiment, la philosophie procure une vision spécifique des choses parce qu'elle va dans l'essence même des choses, etc. Mhm. Donc, bon, maintenant, quant à ce qu'il faut en faire, peut-être que euh, pour nous, enfin chez nous ici, euh, peut-être c'est l'enseignement qui s'ouvre. Mais je pense qu'un philosophe, il a une formation de par son aspect encyclopédique, n'est-ce pas euh, En fait, qui s'ouvre à tout. Le mm-hmm. philosophe est, je pense, est hein, vraiment quelqu'un qui est ouvert à, toutes les sciences, etc., et qui voit toutes les sciences vraiment euh, avec intérêt, etc. Je pense qu'il est euh, dans son élément euh, pratiquement dans toutes les, sciences. Vous convenez, monsieur Hussein Salatou Oui, j'aimerais préciser, c'est une vision étriquée qu'on a ici. On pense que, bon, dès que tu fais philosophie, tu as la métier, tu vas aller enseigner. Mm. Mais ce que les gens oublient, qu'au niveau des philosophes, il y a des philosophes mathématiciens, il y a des philosophes politiciens, il y a des philosophes sociologues, tout, tout, tout, dans, dans tous les domaines. ce qu'on appelle les épistémologues. Mm. Et généralement, bon, au niveau de la maîtrise, c'est on parle d'une euh, maîtrise en philosophie politique morale ou bien une maîtrise en, épistémologie, c'est-à-dire la, science. Donc, mais on a ici une idée étriquée. Et bon, je pense que lorsque vous faites histoire géo, par exemple, eh, vous n'êtes pas destiné nécessairement à aller enseigner histoire géo. Vous pouvez faire autre chose. Quand vous faites lettres modernes, vous n'êtes pas eh, nécessairement à, enseigner français. Mhm. Donc, je pense que c'est une, idée qu'on a, euh, qui s'est répandue, et c'est là dû aussi à notre politique eh, éducative. Vous avez posé une question sur ça, Est-ce que tout le monde doit philosopher Mais j'ai dit que tout le monde philosophe chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de philosopher parce que nous sommes en train de nous interroger. Nous sommes en train de nous poser des questions auxquelles nous trouvons des réponses. Il se trouve que les réponses que nous trouvons le lendemain deviennent une autre question. Mhm. Donc tout le monde est en train de philosopher. tant que tu n'es pas inscrit dans une école de philosophie, on, considère que tu n'es pas en train de philosopher. Mais se poser des questions sur l'univers, sur notre destinée. Qu'est-ce que nous deviendrons demain Que sera demain Quel sera notre destin je pense que c'est des interrogations. C'est ça de, la philosophie, c'est se poser des questions, c'est s'interroger, c'est s'étonner par rapport à tout ce qui se passe. L'étonnement, nous dit Aristote, est vraiment l'essence même de la philosophie. C'est vrai, il y a beaucoup de préjugés. Je me rappelle très bien, moi j'ai commencé avec les Wali. Nous avons commencé à faire droit avant d'aller faire philosophie. Ça n'a pas marché, je suis parti faire philosophie. Mes grands frères ne le savaient pas. Ils voyaient à moi un futur avocat ou un mm-hmm. futur juge. Donc, quelqu'un juste passé faire philosophie n'a pas su. Un juge l'accompagnait pour ses <laughs> démarches euh, euh, commerciales. un ami me rencontre et me dit ça va tous le philosophe, comment ça va C'est le jour-là qu'il a su que j'ai philosophique. Quand on a dépassé les amis, qu'est-ce qu'il me dit mais <laughs> Est-ce que vous voyez C'est satisfaisant que les gens, parce que tout de suite, les gens vont dans l'idée que quand vous dites philosophie, c'est un athéiste c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion. C'est cette idée qui est répandue. Mais je pense que, euh, j'ai remarqué depuis un certain temps, en tout cas grâce aux débats qui sont en train d'être faits, mm. ça a commencé, nous avons commencé ce débat avec euh, Télé Sahel, avec Tal Niger. Mm. Hein. Et après, j'ai vu, euh, comment on appelle ça, le club de philosophie l'a repris. Aujourd'hui, ça s'est répandu. Mm. je, vous remercie beaucoup ta contribution, en tout cas pour ce que tu es en train de faire. Merci. Et je sais que lorsque j'animais les débats philosophiques sur Tal et sur Télé Sahel, beaucoup de Nigériens m'ont appelé pour me dire qu'eux n'ont jamais su que la philosophie c'est comme ça. Mais la force c'est due aussi aux philosophes. Mm. parce Parce qu'au lieu de ramener le langage philosophique pour la compréhension du commun de mortels, nous sommes de l'abstraction. C'est pourquoi les élèves même, c'est ça pose le problème de l'enseignement, peut-être vous allez venir, le, le problème de l'enseignement philosophique. Quand nous restons dans l'abstraction la plus rigide, nécessairement, les gens doivent avoir du dégoût pour la philosophie. Je pense qu'il faut casser ce mythe que la philosophie, c'est l'abstraction totale, c'est de gros mots, pour revenir à, un langage compréhensible pour tout le monde et tout le monde s'intéressera vraiment à ce que nous sommes en train de faire. Or, oh, justement, par rapport à l'importance de la philosophie, on voit Descartes, René Descartes, qui dit donc, euh, or, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosophie c'est pour élucider cela, on peut Véritablement. Pourquoi, Pourquoi Parce que la base de la philosophie, et l'étude de c'est l'interrogation, le questionnement. Mhm. Quand tu ne t'interroges pas, quand tu ne te questionnes pas, tu es véritablement aveugle. Parce que questionner, s'interroger, chercher à savoir on a l'impression que les philosophes vont plus loin et là où les religieux acceptent les dogmes, vous vous interrogez et c'est à cause de ça. Est-ce euh, la raison pour laquelle on considère que les philosophes sont des athées, bien qu'ils ne le sont pas tous je, je pense que c'est, un préjugé qui est répandu. Ce n'est pas <laughs> tous les philosophes qui conçoivent véritablement la, euh, comment cette vision de la philosophie qui consiste à critiquer la religion. Non, il y a beaucoup de philosophes croyants. c'est clair et net. Mm-hmm. Seulement, la religion est du domaine de la foi. Mhm. Et lorsque vous voulez l'expliquer uniquement par la raison, ça pose problème. Ça pose Tout de suite en classe, j'étais en train d'expliquer quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est, est, devenu islamique avec les demoiselles qui sont habillées avec Je parlais de Spinoza. Ouais. Hein, Baris Spinoza, et je parlais de l'idée de Dieu. Mhm. Spinoza reconnaît que Dieu existe et qu'il y a un seul Dieu. Mhm. Tout le monde est d'accord dessus. Ne vous oubliez pas que c'est un, un, juif, un rabbin. Mm-hmm. Donc, euh, la, religion juive, c'est une religion révélée. Mm-hmm. Mais voilà que de dit que mais le Dieu dont on parle, ce n'est pas ce Dieu transcendant que nous prions. Il dit ce Dieu dont on parle, c'est la nature. Vous voyez Ça commence à se gâter. Il y a la confusion. <laughs> il y a la confusion déjà. Hein? Mais il reconnaît qu'il y a un Dieu. Il dit, il dit comment peut-on accepter que l'infini existe et que l'infini n'existe pas Surtout que l'infini est plus puissant que l'infini. fini. Or, Dieu est un infini. Mais ce Dieu-là, j'ai dit, il dit que ce n'est pas Dieu qui est au-dessus de nous, transcendant. c'est la nature. Mm-hmm. Parce que la nature n'a ni début ni fin. Il dit, si vous dites que la nature, c'est Dieu qui a créé la nature, où se trouve Dieu lorsqu'il a créé la nature Vous voyez, déjà la, confusion commence mm-hmm. et ça, commence à semer la confusion dans la conscience, la conscience des gens. ah bon, il a commencé à, blasphémer. Donc c'est ça le problème, l'explication des choses euh, de manière rationnelle. Mm-hmm. Mais, allez regarder de près. Ah, je mets la foi un peu de, de côté, mhm. en tant que simple euh, individu. J'ai dit, moi je ne vois pas du début à la nature, je ne vois pas de fin. On me dit que c'est Dieu qui a créé la nature, mais où est-ce qu'il était Dieu laisse qu'il a créé la nature. <laughs> Je sais que les marabouts, les chèques, quand ils m'écoutent, ils vont, ils, vont, ils vont dire que c'est la nature est un Mais je suis en train de philosopher, de m'interroger. Ça n'entame rien à ma foi. Au contraire, ça me permet de comprendre ma foi. Est-ce que vous voyez Je dis, mais où se trouve Dieu qui a créé cette nature-là Mais non, il doit doit trouver autre chose. Mais cette autre chose, est-ce que ce n'est pas encore la nature Mais je me dis aussi, de manière rationnelle, ce que cette nature-là ne peut pas être créée par elle-même il aurait fallu que quelqu'un l'ait créé. Hmm. C'est clair et net. Par conséquent, j'arrive à la conclusion que Dieu existe. C'est difficile parce que pour d'autres déjà ces questions c'est blasphémé parce que mais à, ce niveau on comprend que euh, quand il y a une montre c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a créée. Oui, M. Euh, Monsieur Loli Abdoulimam, on comprend euh, cela comment en réalité. On voit d'ailleurs Pascal qui dit se moquer de la philosophie c'est vraiment philosophie. Mhm. Monsieur Loli Abdoulimam. Oui. Bien sûr, se moquer de la philosophie, c'est déjà, il faut philosopher déjà pour se moquer de la philosophie, euh, tout à fait naturellement. Euh, je voudrais rebondir quand même tout à l'heure sur euh, un débat qui semblait passionnant, c'est ce que cela mhm. a soulevé. En fait, il faut dire, quand les philosophes parlent de Dieu, euh, ils ne donnent pas le même contenu au concept, euh, la même signification. C'est pour ça que donc on les place en plusieurs euh, catégories. Je pense que en fait c'est pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre tout à l'heure ce que Salat était en train de dire. Vous avez des philosophes qu'on appelle théistes. Alors s'il vous plaît, ce sont ici des idées, des conceptions. qui vient de Dieu. Voilà exactement. Mm-hmm. ça vient théos qui veut dire Dieu, bien mm-hmm. sûr. là évidemment, quelle est leur conception Je pense qu'en fait aussi bien euh, les idées des philosophes théistes, est des philosophes panthéistes, dont mhm. se réclame euh, Spinoza tout à l'heure, mhm. qui expliquait euh, tout à l'heure, comment dire, Panthéiste, ça veut dire quoi Dieu présent partout Oui, je vais expliquer. Je voudrais juste que les auditeurs se familiarisent en fait avec ces concepts, avec ces conceptions, parce qu'a priori, ça semble la confusion, et tout, alors que c'est si simple. En fait, les philosophes sont un peu divergents dans la conception, dans l'idée qu'ils se font de Dieu. Mhm. Pour les philosophes théistes, n'est-ce pas Je pense que ce sont des idées qui ne sont pas très différentes euh, de celles véhiculées même dans les religions. Euh, eux, ils sont convaincus que Dieu est avant tout créateur de l'univers. Mm. D'accord Il est créateur de l'univers, mais il est transcendant à l'univers qu'il a créé. Transcendant veut dire extérieur Au -dessus. et supérieur mhm. euh, à, ce, euh, à cet univers créé. C'est comme une, euh, une potière qui, qui fait son, son pot. Mhm. Certainement qu'à travers son pot, il se trouve être actualisé, réalisé, en fait, toutes ses qualités, son talent, ses aptitudes, etc. Mais on ne peut pas dire quel est le pot. Mhm. <laughs> puisque c'est elle qui est la conceptrice, si je peux dire, de ce pot-là. N'est-ce pas Donc, on ne peut pas la confondre avec Donc, Dieu, pour eux, est euh, disons, le créateur euh, de l'univers, mais il est extérieur à cet univers qu'il a créé. Mm. Dieu est également la source de tout ce qui existe. Hein. Euh, n'est-ce pas Dieu, en fait, ici, chez eux, est comme une personne, mais une personne dont on ne peut pas se faire exactement à l'idée. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une idée exacte. Pourquoi Parce que notre euh, comment dire, esprit, notre entendement, notre mhm. raison euh, est trop exiguë pour pouvoir euh, un peu le concevoir. Peut-être que je vous donne juste une image pour que vous compreniez leur position. une image simple. Si vous lisez le Coran, par exemple, vous allez voir que il est écrit quelque part que, par exemple, il ne se passe rien dans l'univers qui ne soit inscrit dans le livre de Dieu, c'est-à-dire qui échappe euh, si vous voulez, à la conscience de Dieu. Mm-hmm. Ne serait-ce qu'une simple feuille qui tombe d'un arbre. Alors, l'arbre qui est devant votre studio, euh, si vous comptabilisez tous les arbres qui sont dans ce quartier, dans Niamey, mm. euh, dans le Niger, dans le monde. Et s'il vous plaît, euh, le monde n'est qu'une infime partie de l'univers, nous le savons, mm. n'est-ce pas Une infime partie donc euh, de cette planète, euh, mm. disons, de, disons de, du système solaire, donc avec ses neuf planètes et tout, et, que en fait, faites-vous un peu à l'image ici. Est-ce que ma mon intelligence est capable de concevoir une telle intelligence qui est capable de connaître tout ce qui se passe, pas seulement à Niamey, pas seulement dans ce, mais même dans le monde entier, c'est-à-dire qui embrasse toutes les autres planètes. Voilà pourquoi pour eux, euh, vraiment Dieu est comme une personne, mais une personne dont je ne peux me faire une idée exacte. On dit par exemple, Dieu résume tout, Dieu donne des explications à tout, il n'a pas plus... Il est la source, il est l'origine de, tout ce qui existe. Euh, euh, en plus, c'est lui qui a créé l'univers. Maintenant, leur, euh, disons, l'opposition, par exemple, de Spinoza et, des partisans du panthéisme, mhm. avec, le, avec justement les philosophes théistes, dont sur l'écran, par exemple, Malbranche, Pascal, là, dont vous avez Descartes, etc., Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, ainsi de suite. Hein. Il y a mhm. beaucoup de philosophes qui sont théistes. croyants. Mais il y a d'autres qui sont, mhm. en fait, tous sont croyants, aussi bien théistes que panthéistes. Que panthéistes mais euh, à chacun a une conception de Dieu. Mhm. Maintenant, par exemple, pour les philosophes panthéistes, euh, n'est-ce pas Évidemment, tout à l'heure, vous avez posé la question, que veut dire panthéiste Vous avez, bon, si on suit l'étymologie, pan qui veut dire tout. Donc, Dieu est présent en mhm. Dieu est partout et en tout. Dieu est partout et en tout. D'accord euh, seulement, et c'est là que justement Salato a insisté, en fait, les panthéistes n'acceptent pas la transcendance divine. Mhm. Vous comprenez Pour eux, euh, Dieu ne peut pas être extérieur et supérieur, en tant que l'univers est infini. Mhm. Parce que ce serait comme réaliser quelque chose de plus que l'infini. Voilà l'infini et voilà quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils pensent que... Infini à la fois. Vous comprenez Dieu doit être pour eux, pour eux immanent, euh, diffus, n'est-ce pas Peut-être incorporé en fait euh, à l'univers. Dieu c'est l'univers. C'est pour ça que vous l'entendez dire, enfin vous entendez Spinoza dit Dieu, c'est la nature. Bon, je dois <laughs> souligner que Spinoza a été mal compris, n'est-ce pas, euh, à son époque, malheureusement. Vous avez raison, il a été excommunié. C'est-à-dire, reconnu euh, comme. Euh, oui. Il a été comme exclu de la société juive euh, hollandaise à laquelle donc il appartenait, etc. Euh, non seulement, mais même son père euh, l'a déshérité. Mhm. Alors qu'il était issu donc d'une famille vraiment où il avait, où pouvait avoir une place, comme on dit, au soleil, puisque son père occupait une hiérarchie dans, euh, disons, une place dans la hiérarchie euh, religieuse. Donc voilà un peu. Monsieur euh, Hussein Salatou, c'est vrai, il y a souvent ces contestations qui font que vous, les philosophes, on pense que vous êtes de l'autre côté, notamment quand on prend cette célèbre citation de Jean-Paul Sartre qui dit l'existence précède l'essence, alors que monsieur vient d'expliquer que tout est prévu déjà. Et... Euh, enfin, qu'est-ce qu'il faut dire Vous savez, lorsque les, philosophes jettent les choses, les gens tout de suite sur la base euh, de leur perception euh, commune, euh, sont gênés. Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme, qui, estime que l'existence précède l'essence, de quoi s'agit-il On estime que, pour, les tenants de cette thèse qui disent que l'existence précède l'essence, ils sont contre véritablement la prédestination. Mm-hmm. Ils estiment que il faut que l'homme existe, qu'il soit créé pour choisir ce qu'il doit être. Mhm. Alors, que cela va contre la, la perception religieuse qui dit que l'essence présente l'existence parce qu'avant même d'être créé, ce que véritablement euh, euh, votre destin est, est, déjà. Mais il, se trouve que, même au niveau de la religion, on vous dit, levez-vous pour que Dieu vous aide. Est-ce que vous voyez J'ai dit, dit à mes élèves, à la fin de l'année, lorsque le résultat du bac sort, hmm. que vous rencontrez un camarade qui a échoué, mon ami, comment ça a marché Il dit, ah, ça n'a pas marché. Devant lui, en face de lui, qu'est-ce que tu te dis Il dit, ah, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Hmm. Vraiment, c'est comme ça. Mais dès qu'il le dépasse, il dit à son cousin, car je savais qu'il n'allait pas admettre, oh, moi, nous, nous, on étudiait là. Lui, là, qu'est-ce qu'il faisait Il dormait. Je savais qu'il allait échouer. Est-ce que vous voyez L'homme, lorsqu'il est en face d'une situation impossible, à laquelle trouve une solution, tout de suite, il se réfère à comme Dieu. Mm. Et il se résigne. Mais chaque fois qu'il est en mesure de se réaliser, il est très difficile que ce. Il croit que est le seul responsable de ses actes. Quand vous admettez, vous dites Alhamdulillah, il non, on a étudié. Mais quand vous échouez, vous dites que c'est la volonté de Dieu. Quand il y a un accident, par exemple, on dit, bon, on ne sait plus quoi on, dit, on c'est la volonté, de, Dieu. Dieu. Mais arrêtez, quand on recrosse, c'est pourquoi je disais tout de suite, les sous ne, ne s'intéressent pas aux effets, mais aux causes. Qu'est-ce qui a causé l'accident J'ai un accident tout de suite, qu'est-ce qui l'a causé Qu'est-ce qui a causé l'accident si on croit la prédestination, on peut dire, que c'est prédit. Déjà. prédit, c'est euh, Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a causé c'est notre imprudence. Et qui a été imprudent C'est l'homme. <laughs> Est-ce que vous voyez Je disais tout de suite en classe, quand quelqu'un meurt, on dit les mort de quoi On dit les mort de palu. Mais est-ce que c'est le palu qui l'a tué le palu n'est que l'effet de quelque chose. C'est son jour qui est arrivé, on dit souvent. On dit c'est son jour. Au point de vue euh, de ceux qui pensent que l'existence euh, précède l'existence, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que c'est son jour qui est arrivé. C'est ça le Voilà, c'est vraiment assez passionnant <clears throat> ce que vous faites comme débat. Je vais, dire c'est la même question. Mhm. Euh, n'est-ce pas, tout à l'heure de l'existentialisme, euh, n'est-ce pas, l'existence précède l'essence. En fait, bien sûr, cette phrase est de Jean-Paul Sartre, c'est bien connu. C'est une célèbre phrase. bien sûr, c'est ça. <clears throat> en fait, il a prononcé, euh, disons, pour la première fois dans une conférence célèbre qu'il a tenue, mhm. n'est-ce pas, intitulée L'existentialisme est un humanisme, mhm. qui a abouti à un livre qui a été donc maintes fois réédité. C'est là, dans cette conférence, que pour la première fois, il réclame euh, il proclame que l'existence précède l'essence. En fait, il s'agit de l'existence humaine qui est différente de l'essence des choses. Mhm. Euh, exemple, ce bic-là que j'ai devant moi, avant d'exister, il a nécessairement été conçu, en idée par son concepteur. C'est comme l'architecte et son œuvre. Exactement. Mhm. Il a certainement nécessairement eu l'idée de ce bic. Il a certainement même dessiné. Mhm. N'est-ce pas Ce bic est conçu euh, selon un modèle pour un but particulier. Alors, euh, Sartre dit, l'existence humaine est différente de l'existence des choses, surtout mhm. des, objets préfabriqués. Pourquoi Parce que contrairement aux choses qui sont essence avant d'être essence, c'est-à-dire qui ont été conçues pour faire quelque mhm. n'est-ce pas euh, L'homme existe d'abord et c'est ensuite qu'il choisit lui-même sa propre essence. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire l'homme existe lui-même et c'est lui qui a la latitude de décider de ce qu'il sera n'est-ce pas Et il se fait être lui-même. Mais on voit bien qu'il comprend que l'être humain ne choisit pas sa couleur, par exemple. Parfois, il ne choisit pas beaucoup de choses, d'être riche ou pauvre, du fait qu'il peut naître euh, orphelin, il peut naître. Il y a tout ça, voilà. de Je suis d'accord avec vous. En fait, euh, je pense que cette question de la prédestination. Il est vrai que euh, chez les, pour, les existentialistes, l'homme n'est pas une créature prédéterminée, n'est-ce pas Je veux dire avec un destin préétabli et tout. D'accord Mais en fait, euh, c'est une question qui m'a personnellement passionné un moment mhm. et je n'ai pas manqué de faire des recherches, y compris dans la religion. Et j'ai été assez surpris de comprendre, par exemple, bon, une religion que tout le monde connaît assez, un islam. Mhm. Euh, poser la question de savoir est-ce que euh, l'homme est maître de son destin. Par exemple, est-ce que l'homme est capable de changer son propre destin mhm. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'unanimité dans la réponse. Euh, il y aura plusieurs types de réponses. Certains vont vous dire, mais non. Si Dieu, ils euh, vont vous dire si Dieu le veut. Voilà. Pour certains. Mhm. Euh, si vous voulez, le dessin est quelque chose qui a été préétabli par Dieu, si vous voulez, qui ne peut pas du tout changer. Mhm. D'accord Vous trouverez des musulmans, par exemple, qui vous diront, ben, écoutez, Dieu qui a fait tout le dessin, il est capable de le changer lui-même. Pourquoi donc euh, <laughs> beaucoup de personnes courent tous les jours après les marabouts, après les imams et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, surtout en tant qu'Africain Je pense que, euh, justement, c'est parce qu'ils pensent que euh, ils peuvent trouver satisfaction. Je veux dire, euh, ces personnes à qui, à qui donc euh, ils s'adressent, ils pensent que ces personnes sont capables de, de changer leur dessin, de contribuer en tout cas à, à modeler leur dessin. Mhm. Mieux encore, je pense que ça c'est presque de notoriété. Mhm. Par exemple, là nous, allons vers le mois de Ramadan, mhm. mais il y a par exemple ce qu'on appelle la, la nuit de la destinée n'est-ce pas Où on pense que voilà, mm-hmm. Dieu qui a donc, si vous voulez, conçu tous les dessins euh, les revoit chaque année, mm-hmm. n'est-ce pas Est euh, capable donc de, changer. C'est pour ça que donc les gens passent en veille parce que il faut qu'au moment où mon dossier soit pris, je suis <laughs> en train de faire des bonnes œuvres. Peut-être que Dieu sera bienveillant, ainsi de suite. Donc, euh, regardez bien vraiment cette question. Regardez de près cette question, c'est-à-dire est-ce que le dessin, c'est-à-dire certes, je suis d'accord et certains philosophes athées, mais mm-hmm. cette pensée si nous regardons de près, elle n'est pas fondamentalement euh, athée. Parce qu'en réalité, euh, les musulmans, je pense que, euh, je vous ai dit, j'ai suivi cette question de près du point de vue de plusieurs religions. Mhm. chez les chrétiens, je pense que là, il y a une petite, je vais dire, il y a une liberté qui est un peu donnée à l'homme. L'homme est responsable un peu. il peut par son action ou se racheter ou se condamner. Mhm. Bon, c'est que, que le musulman pense euh, on ne peut pas être musulman sans croire, à la prédestinée. Mm. Mais là, je pense que si nous poursuivons les préceptes de notre propre religion, euh, nous verrons que c'est une question qui est ouverte. Euh, parce qu'en vérité, le destin n'est peut-être pas donné une fois pour toutes et que l'homme peut par ses actions, regardez, il y en a qui croient par exemple faire la sadaka, euh, peut changer mon destin. Faire certaines actions peut faire en sorte que, par exemple, mes jours avancent ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que c'est une question qui est ouverte. C'est pour ça que je pense que si nous réfléchissons de près, nous verrons que cette question n'est pas peut-être fondamentalement attirée. Son auteur, oui, ça j'en conviens, mais je pense que il faut suivre de près euh, cette conception <laughs> et nous verrons qu'elle peut avoir un lien avec... Euh, c'est la responsabilisation hein, que ça, veut éviter le fatalisme, la résignation et se responsabiliser. Or, nous fuyons nous faisons nos responsabilités. Voilà, c'est ça le terme. Sartre qui est considéré être raté, justement à cause de ses pensées fondamentales. La philosophie, nous voyons, c'est un peu difficile. Peut-être c'est à cause de ça qu'on ne commence à étudier ça qu'en classe de première. Cette émission tire euh, à sa fin. Monsieur Hussein Salatou, on reproche à la philosophie de ne pas pouvoir être une science comme les autres aujourd'hui. 2 plus deux, on sait que c'est quatre. mais en philosophie, on voit que pour d'autres, c'est même une perte de temps. Et mhm. Euh, qu'avez-vous à dire euh, rapidement Malheureusement, euh, même ce qu'on appelle science exacte, même elle, continue à se remettre en cause. Les connaissances ne sont pas définitives. chaque fois, <laughs> elles se remettent en cause. Donc le reproche qu'on fait à la philosophie n'y tient pas. Hein. on, nous a dit au, point de vue scientifique que l'école léger, comment dirais-je, vole, l'école lourde tombe. Mm-hmm. Mais avec le mouvement des sens, on s'est rendu compte que regarde à la, présenter, à la loi de la la gravitation universelle, que ce n'est pas ça, la science dans sa progression. Est-ce que On vous a appris en quatrième que la plus petite particule qui se trouve dans la matière, c'est quoi C'est l'atome. Mais <laughs> aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas l'atome. Dans l'atome, il y a autre chose. Donc, j'ai dit que ce n'est pas seulement la philosophie. Je pense que c'est un préjugé qu'on a connu à la philosophie. J'estime que ce qui fait le dormant de toutes les connaissances, je ne dis pas seulement scientifiques, que ce soit littéraire, philosophique, euh, c'est cette, cette remise en cause perpétuelle. C'est pourquoi le philosophe ne veut pas qu'on dise que la chose est fausse, mais que la chose est dépassée. Hmm. Parce que la connaissance, elle est vraie, dans un contexte précis, mais eu égard à un certain nombre de développements techniques, environnementaux, elle peut changer. Est-ce que vous voyez hmm. Parce que quand vous prenez même la définition de ce que c'est que la vérité, concordance de la pensée avec le réel, vous vous rendez compte que cette définition même ne définit pas la vérité. Est-ce que vous voyez Donc, j'ai dit que il faut éviter ces préjugés. Euh, ce qui fait la splendeur de la philosophie et de, toutes les sciences, de toutes les sciences, c'est que c'est cette remise en cause perpétuelle qui permet au, au développement des sciences et des techniques et du savoir universel. C'est cela. Quand il n'y a pas de remise en cause, de l'ancien savoir, je pense qu'on ne peut pas progresser. Il parle de remise en cause. On a vu plusieurs remises en cause. On a vu notamment la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. Au début, on pensait que c'est le Soleil qui fait des mouvements. Ça a été contesté. Euh, c'est avéré maintenant. Par... On accepte ça comme ça <laughs> au fur et à mesure. Monsieur Lola Abdelimam, euh, quelle est en fait, euh, pour ainsi dire, l'importance, l'utilité de la philosophie Selon vous, pourquoi c'est important d'enseigner la philosophie aux élèves oui, c'est ça c'est une question très vaste. Et hein. <laughs> vous dites que le temps est étriqué, mais on va essayer de résumer. Euh, récemment encore, j'ai eu vraiment bon euh, la chance, <laughs> l'occasion, l'honneur en tout cas de participer un peu à l'élaboration des nouveaux programmes en philosophie. Et à l'occasion, il a été question d'élaborer les objectifs mhm. assignés à l'enseignement philosophique. Je rappelle que vous étiez conseiller pédagogique, on l'a dit au début de cette émission, oui, en philosophie. Tout à fait. Mhm. Euh, et c'est pour ça que donc il a été question bien sûr parce qu'avant d'élaborer un programme, il faut d'abord voir les objectifs parce que mhm. justement le répondent ou euh, euh, servent à atteindre ces, ces, objectifs. Les objectifs sont euh, très nombreux. Mhm. Je me contenterai de ne citer peut-être que les plus importants. premièrement, je pense que la philosophie vise d'abord à former et faire prévaloir l'autorité de l'esprit critique, mhm. n'est-ce pas, dans l'exercice de la pensée. Et ici donc, la philosophie vise à apporter l'esprit critique. Mhm. Euh, n'est-ce pas Je pense que c'est une faculté que les professeurs de philosophie mhm. tendent à installer chez, chez l'enfant. <clears throat> Et du coup, elle tend donc à extirper du réflexe intellectuel des apprenants, vous avez dit tout à l'heure, des préjugés, mhm. des stéréotypes, n'est-ce pas, qui sont types de les maintenir justement dans un esprit de fermeture. Par exemple, ça, c'est le premier objectif. Euh, si on avait le temps, on allait détailler sur ça. Deuxièmement, euh, <clears throat> l'enseignement de la philosophie vise à assainir l'esprit euh, justement de nous apprenant de toutes les formes d'obstacles, n'est-ce pas, à son épanouissement et créer du coup un, un environnement qui est favorable à l'émergence d'une multitude d'opinions, n'est-ce pas, et produire donc relativement la liberté de penser. on ne peut pas parler de de philosophie, sans liberté de penser, mm. naturellement, parce, qu'elle vise euh, à, faire naître cela. D'accord euh, Ensuite, la philosophie vise à apprendre et former des jugements rationnels et objectifs, justement, euh, à nos apprenants, notamment concernant, par exemple, leur environnement social, leur environnement culturel, leur environnement politique, etc. Merci à vous, Monsieur Lola Abdelimam. Monsieur Hossein Salato, un mot pour terminer par rapport à l'utilité, par rapport à son importance. je Viens de finir tout de suite un cours de philosophie. Parce qu'on a essayé quand même de voir l'importance déjà à travers les questions, les questions qui ont été euh, posées précédemment. maintenant, c'est de dire l'utilité fondamentale. Je reprends par votre question à travers cet exemple. Je viens de finir tout de suite un cours de philosophie sur la société et l'État. Et la dernière question qui m'a été posée philosophie par... Philosophie politique. Philosophie politique. Mhm. La dernière question qui m'a été posée par l'élève, par un élève, une demoiselle me dit Monsieur, vous nous parlez de contrat social. Mhm. De Jean-Jacques Rousseau. De, Jean-Jacques Rousseau, du pacte social. Mhm. Mais si le souverain ne respecte pas le contrat, est-ce que l'autre le droit de se révolter Sincèrement, j'étais ébahi. J'ai dit pourquoi vous dire ça Il dit mais je ne fais pas de la politique, c'est ce qui s'est passé en classe de Elle me dit, mais quand nous voyons les gens refusent que la société civile marche, quand les gens attrapent les journalistes, est-ce que les gens ne vont pas se révolter j'ai dit Dieu merci. Mon cours a été complet Ça me donne euh, cette citation le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est une citation de Jean. Jacques Rousseau. Nous allons terminer cette émission. Merci à vous. Ce forum du studio Kalangou a abordé donc euh, ce soir l'importance de l'enseignement de la philosophie au secondaire. Nous étions en compagnie de Monsieur Loli Abdoulimam. Euh, on le rappelle, il est ancien conseiller pédagogique et euh, actuellement en formation pour l'inspectorat en philosophie, Monsieur Lola Abdouleman, merci. Le second invité, c'est Monsieur Ousseini Salatou. Il est homme politique, ancien ministre. Il est philosophe également. Monsieur Ousseini Salatou, merci. Et à la technique, nous avons c'est Nisaka, et puis à la réalisation Jollo Boubokan, à la présentation Michel Deji. Merci de votre fidélité au studio Kalangou. Passez une excellente soirée et au revoir.